Fronde au Pendestarea, les jeunes lions veulent manger tout cru les vieux aux crocs usés, nous apprend dans ce titre Le Courrier. Le Courrier qui rapporte que décidément les choses se compliquent au Pendes Tareya, car il n'y a pas que l'ancien président Issoufou Mamadou qui dispute le leadership au sommet de l'État au président Bazoum Mohamed. Les jeunes lions Arrivés politiquement à maturité depuis que les anciens les ont introduits dans la cour des grands, sont décidés à prendre le commandement, exactement comme dans toute fratrie de Lyon. C'est un conflit de générations vieux comme le monde qui mine le pain des il faut dire, selon le journal, que les cas du père, mère et fils ont été une source suffisante de frustration dans les rangs du parti. La plupart des vieux lions installés dans les loges du pouvoir y ont également leur épouse et leurs enfants à des postes enviables de responsabilité. Dans les rangs du parti, on appelle ça les pères, mère et fils, écrit le journal, une façon de se moquer de ces tendances dynastiques prononcées. Le système père-mère et fils a malheureusement prospéré faisant des émules ici et là, au point où de nombreux cadres, jeunes pour la plupart, se disent trahis. Ils ont si fait pour le parti qu'ils ne comprennent pas qu'ils soient laissés en rade là où d'autres, au nom du père et de la mère, sont propulsés à la tête d'institutions et de grandes entreprises. Les prochaines assises nationales du PNDESTARIA e s'annoncent rudes selon le journal pour Pierre Fumakwegado, Kala Ankuraou et les autres, certes crépus, mais numériquement handicapés pour tenir tête aux plus jeunes. Malgré tout, ils seraient déterminés à se battre pour rester les maîtres du jeu. En ont-ils les moyens s'interroge le journal pour qui rien n'est moins sûr. Selon des confidences faites au courrier, ils seraient déjà sur le pied de guerre, résolus à mater cette rébellion. Quant aux jeunes lions aux dents longues et aux griffes qui bénéficierait du soutien ferme du président Bazoum. Ils ne comptent pas se laisser intimider. Leur argument tient la route, la plupart de ces jeunes leaders ayant sinon la cinquantaine, au moins la quarantaine. La position du président Bazoum est l'intrigue, écrit le journal. Pourquoi soutiendrait-il les jeunes lions se demande le journal. Par pure manipulation, confie un cadre du PNDS qui a requis l'anonymat. Le président Bazoum, dont le fils est jusqu'à présent discret, quelque peu éloigné des arcanes du pouvoir, ne le fait pas par calcul, mais par conviction, renchérit un autre. 20 millions d'euros, un million de soldats, 6 drones, des chasseurs, chars de combat, etc. La France nous envahit, Bazoum regarde impuissant, nous apprend pour sa part le journal L'éclosion. Ces derniers mois, les officiels français défilent à Niamey les uns après les autres, écrit toujours le confrère, qui précise que les derniers en date sont les ministres des armées et des affaires étrangères arrivés à Niamey le vendredi 14 juillet. Ils ont suivi les pas de la secrétaire d'État française chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Grisoula Zakharoupoulou, reçue par le président de la République, Mohamed Bazoum, le 28 juin dernier. Autant dire, selon le journal, qu'un balai de ministres de la métropole à Niamey. Pourquoi tant d'agitation pour le Niger Ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres au monde, régulièrement classé dernier en indice de développement humain par le PNUD, s'interroge le journal. Après l'humiliation qu'elle a subie au Mali, l'avenir de la France en Afrique est donc son avenir tout court se joue désormais au Niger. Le journal poursuit que, comme à son habitude, le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas fait dans la dentelle. Assoumi Massaoudou a presque grondé ses compatriotes qui dénoncent le transfert de la force française à Niamey. Le ministre de la Défense vient de dire qu'avec le départ de Barkhane du Mali, un vide se crée et la menace augmenterait sur notre pays. C'est une des raisons principales pour lesquelles nous demandons à notre partenaire français de venir nous appuyer, voulant être certain d'être bien compris des Nigériens. L'homme connu pour son extravagance verbale poursuit. Nous avons besoin d'appui dans tous les domaines, y compris en personnel. Tempête Hassoumi Massaoudou, comme pour désavouer le président Barkhane on se rappelle, aux premières heures de sa présidence, le chef de l'État nigérien avait déclaré que nous n'avons pas besoin de troupes au sol. Du reste, cela n'étonne pas pour qui sait que Hassoumi Massaoudou était le principal challenger pressenti de Mohamed Bazoum à l'investiture du PNDS Tareya, le parti au pouvoir. Mais par la force des choses, soumis est devenu le ministre des Affaires étrangères de Bazoum. Avec une telle insistance, le pouvoir de Niamey donne la preuve qu'il n'a de stratégie ni de vision que de satisfaire la France dans ce qu'elle a choisi comme politique sécuritaire dans notre pays, le Niger. Au journal Le Monde d'aujourd'hui, d'ajouter à propos toujours de ce sujet que la mission des deux ministres français aurait pu passer comme toutes les autres dans ce pays où la France est militairement installée comme chez elle. Seulement, les deux ministres français n'ont pas choisi n'importe quelle date pour venir au Niger. C'est un 14 juillet, date commémorative de la fête nationale française. Autant dire, selon le journal, une date fétiche pour les Français, pour ne pas dire une date sacrée. Le ministre des Armées français au Niger, un 14 juillet, il y a de quoi s'interroger, écrit le journal. Certes, les effectifs militaires français sont pléthoriques au Niger. Plus de 2000 soldats et des milliers de tonnes de matériel militaire. De quoi inciter des visites régulières de la part de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Tout de même, le journal écrit que la visite des deux personnalités françaises est loin, très loin d'être conformiste. S'ils étaient venus un 13 ou un 15 juillet, il n'y aurait si tant à dire. Mais y a-t-il eu une urgence On n'en a pas eu connaissance. Les deux ministres français se sont même déplacés jusqu'à Wallam pour visiter, disent-ils, des projets de nature agricole financés par la France et comme il n'y a pas 203, un prêt de 50 millions d'euros et un don de 20 millions d'euros sont annoncés, des aspects humanitaires et sociaux qui ont servi à enrober ce séjour des deux ministres français sans toutefois lever le doute sur la véritable motivation qui se trouve derrière ce déplacement du Niger. Puis à sa une Le Monde aujourd'hui parle de gaffe diplomatique. Massaoudou Hassoumi, un champion hors norme, écrit en gros le journal à sa une. Les deux ministres français ont séjourné dans notre pays pour parler de lutte contre le terrorisme, d'où d'ailleurs le rappel des faits que nous avions exposés. À l'occasion de cette visite des deux ministres français, Assoumi Massaoudou s'est érigé en avocat, défenseur acharné de la France, en s'attaquant avec une hargne déconcertante au Mali et particulièrement contre ses autorités incarnées par la junte militaire au pouvoir, qui l'a taxé de tous les qualificatifs sur un ton méprisant et arrogant. Si le G5 Sahel n'a pas fonctionné depuis sa création, c'est par la faute du Mali. Et puissant de la crise sécuritaire au Sahel. C'est le Mali qui a décidé de ne plus parler à personne. Le ministre français des Armées a dit que le gouvernement de fait du Mali n'a pas voulu leur parler. Les conditions politiques ne sont pas aussi réunies parce qu'ils travaillent avec des mercenaires. Mais nous ne désespérons pas de voir le Mali revenir, de sortir de cette situation que les autorités ont choisie pour le peuple malien et je pense contre les intérêts du peuple malien, rapporte le journal à À propos toujours du même sujet, le journal Écho du Monde rapporte dans ses titres que le Niger est le point d'ancrage de l'impérialisme français au Sahel. Lors de son discours aux armées le 13 juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a dévoilé sa nouvelle stratégie en Afrique, ce qui, selon notre humble avis écrit, le confrère, permettrait à la France d'être moins visible en Afrique, ce qui réduirait certainement pour lui les sentiments anti-français qui ne font que monter en Afrique pour ne jamais cesser les critiques acerbes contre la politique française en Afrique et surtout au Sahel où leurs intérêts ne sont plus à démontrer. Le président français a dit en substance que c'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs moins posés et moins exposés, réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, ce qui a valu selon le journal le coup à la ministre des Affaires Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna et son homologue des armées, Sébastien Lecornu, de prendre leur vol pour le Niger juste après le défilé du 14 juillet, commémorant le débarquement de Normandie. Les Français sont conscients que les Africains exigent d'eux un changement de méthode et d'approche au risque de tout perdre en Afrique. Aussi, les Français sont conscients de leur échec au Sahel, car la lutte contre le terrorisme comme ils le font ne peut pas réussir dans un contexte où les chefs djihadistes se servent de la pauvreté des Sahéliens pour recruter leurs soldats. La France, dans sa nouvelle stratégie, écrit le journal plus loin, ne veut plus être visible en première ligne dans le commandement et les prises de décision. Aussi, la France décide d'écouter les Nigériens et les satisfaire dans toutes leurs sollicitations. Le Niger ne mérite pas mieux que ça pour avoir accepté de jouer un rôle incontournable de soutien à l'impérialisme français, ce qui restera à jamais dans les annales de l'histoire sous le magistère des trois régimes de la Renaissance. Dans tous les cas, précise le journal, on peut penser que la France est en train de comprendre qu'il fallait changer d'épaule à son fusil ou changer sa façon de s'asseoir en Afrique ou sa manière de traiter ses affaires avec les Africains. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi le baccalauréat session 2022. Le journal Niger Interhebdo nous rapporte dans ses titres que ce sont 86 830 candidats sont repartis dans 202 centres à la recherche du parchemin. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2022 ont débuté le lundi 18 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ils sont 86 830 candidats repartis dans 202 centres dissimulés sur l'ensemble du territoire national, toutes séries et toutes spécialités confondues qui vont se lancer à la quête du premier diplôme universitaire du Niger. Cette année, l'effectif des candidats étant progression de 5,11% par rapport à celui de l'année 2021, écrit le journal. Parmi les 86 830 candidats, les filles sont au nombre de 33 950, soit 39,10% du total. Les candidats libres sont au nombre de 14 565, représentant une proportion de 16,77%. De nouvelles localités abritent à compter de la session 2022 pour la première fois de leur histoire des centres d'examen il s'agit de Ngal Agadez, Dankasari Dosso, Jiratawa Maradi, Tamaske Tawa, Ayeru Enomaro Tilaberi, Dungase Tirmini, Zender. Tous les jurys sont en place et prêts pour la tenue des examens comme prévu, a rassuré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PhD Mamour D'ores et déjà, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de la session, a rassuré le ministre de l'Enseignement supérieur qui a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement du président de la République Mohamed Bazoum et du premier ministre Oumoudou Mamadou qui sont fortement attachés à l'organisation d'examens propres dans notre pays. En effet, précise le journal, à l'image des années antérieures, les autorités nigériennes ont pris toutes les dispositions pour lutter contre ces facteurs. La lutte contre la fraude doit être le leitmotiv pour chaque intervenant, a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur, soulignant qu'en vertu de cette préoccupation constante, un rapport étroit avec la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à et les forces de défense et de sécurité ne ménageront aucun effort pour traquer toute personne ou groupe de personnes qui se rendrait coupable ou complice de fraude de quelque façon que ce soit, a-t-il prévenu. Il y va de la crédibilité du baccalauréat nigérien et de la qualité de notre système éducatif, assurément de notre enseignement supérieur, a-t-il souligné. Zone inondable, de sérieuses menaces sur les populations riveraines. Nous apprend pour sa part Canard en furie. Le canard en furie qui rapporte que pour cette année, les prévisions annoncent encore des pluies diluviennes susceptibles de provoquer de gigantesques inondations. On observe certes une certaine stabilité au niveau du camp de sinistrés de Seno. Cependant, précise le journal, selon les informations officieuses, plusieurs des locataires de ce camp auraient déjà vendu leur terrain pour se réinstaller sur les zones inondables, ce qui est somme toute vérifiable car à faire un tour à Kirkisoy ou à Bangabana, on constate que les ruines des maisons ont été systématiquement retapées. Certains jouent le double jeu. Ils sont présents sur le camp et aussi sur les zones d'où ils ont été déguerpis. Ce comportement pas du tout juste n'est pas de nature à enrayer l'effet des catastrophes naturelles, notamment les inondations. Au fait, le journal estime qu'il revient aux autorités communales de mener un travail de fourmi sans complaisance pour identifier les contrevenants. Il faudrait systématiquement sanctionner les contrevenants car il s'agit d'un élan de fraude organisée conduite le plus souvent avec la complicité de certains agents véreux de la mairie centrale et communale. Les zones déclarées inondables doivent être dégagées, conclut le journal. Et pour finir, cette note nécrologique, le hérisson rend un hommage à l'homme de Kornaka, STJ, l'homme de toutes les générations. De Dieu nous venons Adieu, nous retournons. Le vieux Jacou, comme nous l'appelons, n'est plus. Il s'en est allé le lundi 18 juillet 2022 à l'hôpital général de référence de Niamey. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 21 juillet 2022 dans son village natal de Konaka, région de Maradi. Aussitôt, la triste nouvelle a annoncé que plusieurs personnalités politiques, au premier rang desquelles le président Mohamed Bazoum, lui ont rendu un vibrant hommage. Que doit-on retenir du STJ tout, absolument tout en lui est intéressant pour dire que sa vie aura été bien remplie. Enseignant, économiste, écrivain, politicien, il est d'une grande culture générale débatteur hors pair, il fut toujours disponible pour toutes les sollicitations et surtout les médias, dès lors qu'il s'agit d'éclairer ses concitoyens sur tous les sujets de préoccupation nationale, en gardant souvenir ses interventions à l'Assemblée nationale. Député, il avait croisé le fer avec beaucoup d'hommes politiques dans l'enceinte de l'hémicycle, sans un seul jour faiblir, faisant perdre la face à ses vis à -vis, avec comme seule arme la force des arguments. Sa plus grande qualité dira de lui ceux qui le connaissent et de ne jamais garder rancune contre son prochain. Alors qu'à la conférence nationale souveraine, on s'attendait à le voir se déverser sur le régime Kunche qu'il a embastillé pendant plusieurs années, le privant des jouissances de sa jeunesse. Estéju eut des mots mesurés, allant souvent à la surprise générale à une appréciation positive de certains pans de la gestion du régime d'exception, pourtant au centre de toutes les critiques de l'époque. STJ, c'est aussi l'homme de toutes les générations. Autrement dit, malgré ses 80 ans, il reste très proche des jeunes. Aussi est-il fréquent de voir à ses côtés jeunes étudiants, syndicalistes, politiciens et autres acteurs de la société civile avec lesquels il n'hésite pas à partager ses connaissances et son expérience.